le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le studio Kalangou, il est 18h15 minutes, euh, c'est l'heure du forum au micro Hamadou Mouni. Bonsoir à tous. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey et relayés à travers le réseau des radios partenaires à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Zender, Tilabiri, Arlit, Filengue et Niamey. Pour ce forum du mardi 21 juin 2016, nous avons retenu pour vous la suite a donné, plus d'un mois après les accords de réconciliation entre communautés peu le Touareg, le long de la frontière nigéro-malienne, c'est l'accalmie dans les zones où les parties prenantes ont donné leur accord, mais ailleurs, la situation va de mal en pis. C'est ce que nous a affirmé Boubacar Diallo, président du Conseil des éleveurs nord Tilabiri. La crise du phénomène migratoire, le Niger est devenu un pays de transit pour des milliers de migrants subsahariens en direction du Maghreb ou de l'Europe. Alors, comment lutter efficacement contre ce phénomène Tcherno Amadou, expert des questions migratoires alternatives espace citoyen, pense qu'il faut s'attaquer au mal par la racine en résolvant, par exemple, le problème de chômage des jeunes. Oui, une grande accalmie règne dans les zones où tous les acteurs ont accepté de s'accorder sur une bonne gestion des ressources naturelles, mais ailleurs, le vol de bétail et autres assassinats continuent. C'est ainsi que le président du Conseil des éleveurs nord tilabéri résume le bilan des accords de réconciliation qui a eu entre une bonne partie des communautés Touareg et Peul le long de la frontière nigéro-malienne voilà plus d'un mois. La rencontre organisée par l'ONG HD a eu lieu à Tilabéry et a regroupé tous les acteurs concernés par la question. Ensemble, ils ont promis de passer le message de la paix dans leur communauté. suivant les explications de Goubacar Diallo. Alors, si l'élément est prêt, nous allons devoir écouter cet entretien que euh, Tchernou Amadou, expert des questions migratoires alternatives espace citoyens, a accordé à notre reporter Mokhtar Hamadou. Tchernou Amadou, bonjour. Bonjour. Vous travaillez ici Alternative euh, Espace Citoyen sur les questions migratoires. Comment se porte le phénomène migratoire au Niger depuis euh, mai 2015, le monde est entré dans ce qu'il est convenu d'appeler une crise migratoire. Mais de mon point de vue, il s'agit plutôt d'une crise des politiques migratoires. Vous le savez, depuis euh, la fin de l'année dernière, il y a des vagues importantes de migrants à destination de pays du Nord pour ceux qui est du Niger, principalement vers le Maghreb, mais des personnes qui se déplacent fuit plusieurs facteurs. Il fuit des crises alimentaires pour ce qui est des pays euh, en Afrique au sud du Sahara. Il fuit des conflits liés à la guerre. Il fuit les changements climatiques. Il fuit la pauvreté. De ce point de vue, on comprend un peu pourquoi les gens bougent. Par exemple, si je prends la, zone euh, hors Afrique, la plupart de ces personnes en mouvement vers l'Europe, l'Europe de l'Ouest notamment, sont des réfugiés de guerre. Donc, c'est des migrants qui fuient la guerre. pour ce qui est du continent africain, également, notamment la zone euh, Afrique au sud du Sahara. Ces derniers temps, il y a ce que nous nous appelons les organisations de protection des droits humains, une réorientation des flux migratoires qui est liée aux conflits qui sévissent dans certaines régions d'Afrique. Si vous prenez par exemple euh, le cas des migrants nigériens, il y a une réorientation de ces flux en direction du nord parce que les destinations traditionnelles des migrants, des ressortissants nigériens en direction des pays de la côte notamment sont perturbées à cause de la guerre pour la Côte d'Ivoire qui était une des destinations privilégié privilégiée des Nigériens. Le Nigeria aussi n'est plus une destination privilégiée des Nigériens parce que le conflit avec Boko Haram a fait que les zones de destination traditionnelles, les gens ne peuvent plus aller. Donc ça explique aussi pourquoi les gens se sont retournés vers le nord. Mieux, il y a eu la guerre de l'OTAN en Libye qui a fait que la Libye, qui était une des destinations privilégiées également des Nigériens, les gens ne peuvent plus aller là-bas. Donc cette réorientation des flux migratoires s'est orientée maintenant vers deux pays du Maghreb, principalement la et le Maroc. Donc c'est ça qui explique aujourd'hui la tendance qu'on observe d'un mouvement important des populations du Niger vers le nord, notamment à partir de la zone d'Agadez, selon les chiffres officiels qui sont souvent relayés par l'Organisation internationale des migrations qui disent qu'il y a entre 80 et 150 000 personnes qui transitent par cette zone chaque année. Donc ces gens-là fuient ce conflits. Maintenant, l'Europe ne veut pas que ces gens arrivent là-bas et elle a mis des dispositifs de contrôle des frontières. Il y avait déjà Frontex par les les années passées. Depuis l'année dernière, plusieurs rencontres ont eu lieu au sommet entre les dirigeants européens et africains. Ici au Niger, nous savons que le phénomène migratoire dépend des régions. Quelles sont les régions qui sont les plus touchées par ce phénomène migratoire Il y a des zones dans notre pays qui sont des zones de départ des migrants. Si vous prenez par exemple la région d'Ottawa, tout le monde sait qu'une bonne partie des populations de cette région migrent, notamment pendant la saison sèche, à destination des pays de la côte. Je disais, parlais tout à l'heure de la côte d'Ivoire, du Ghana et autres. Mais il y a d'autres régions de notre pays qui avaient déjà des mouvements très historiques, même si je peux le dire, de ces populations vers la Libye notamment. Si vous prenez une zone euh, comme Difa aujourd'hui qui est dans une turbulence, Zender aussi, les populations avaient l'habitude d'aller, dès que vous êtes grand, les gens partaient en Libye. Mais depuis quelques années, il y a une augmentation des départs à cause des perturbations liées aux mauvaises récoltes et à la pauvreté également. Depuis euh, deux ou trois ans, on a observé une vague importante des migrants au départ de la région des Indes, notamment du département de Kanché. Ces populations vont généralement à destination de l'Algérie, mais aussi peut-être des villes marocaines. Et c'est ça qui a fait, depuis quelques années, on a noté une vague importante de ressortissants nigériens dans certaines villes comme Tamaranasset et d'autres villas de l'Algérie. Ces populations, selon les médias de ces pays-là, une bonne partie d'elles s'adonnent à la mendicité. Depuis euh, la tragédie qu'il y a eu dans le désert nigérien en 2014, le gouvernement nigérien, les deux ministres de l'Intérieur du Niger et de l'Algérie, il y a eu des concertations et le Niger avait décidé, par la voix de ses plus fortes autorités, de rapatrier les ressortissants nigériens qui sont là-bas. Parce que selon les autorités nigériennes, ce que font ces personnes, notamment la mendicité et peut-être la corruption pour la proportion des femmes qui se retrouvent là-bas, dégrade l'image de marque de notre pays. Donc le Niger a décidé de rapatrier ces personnes qui étaient estimées à l'époque à 3000. Mais depuis le début de cette opération de rapatriement, volontaire selon certains, forcé pour d'autres, en tout cas si on s'en tient à ce qu'on lit aussi dans la presse euh, algérienne. Le nombre aujourd'hui est passé à plus de 9000. C'est dire que c'est quand même important. Au niveau du département de Kanké, est-ce qu'on peut parler euh, d'un phénomène culturel Je pense qu'il y a ces choses-là. Euh, des membres du département migration d'alternatives ont été à deux reprises dans cette zone et ils ont produit un rapport d'enquête qui est disponible. Il semble que le point de départ de tous ces mouvements de personnes vers là-bas a été des personnes qui sont allées travailler à Arlit, où les gens peuvent trouver de l'emploi, notamment des emplois domestiques. Les gens avaient compris qu'en fait, à partir de là-bas, les premières villes algériennes ne sont pas loin et qu'on peut y aller. Et certains ont tenté la traversée. Quand ils sont allés, ils sont revenus avec euh, un peu de bien, ce qui a un peu encouragé les gens à continuer. Mais il se trouve que tout le monde, en fait, ne connaît pas où se situe souvent Araset, où se situent les autres villes qui sont les destinations privilégiées de ces ressortissants de Kanché. Ce qui fait que certaines personnes souvent échouent à Agadez et se retrouvent souvent à chercher les voies de sortie pour aller dans ces zones. Mais il faut reconnaître que ce qui fait fuir les gens, c'est vraiment les conditions de vie très difficiles dans cette région, la pauvreté, les mauvaises récoltes, qui fait qu'il n'y a rien. Vous comprenez bien que si des personnes se mettent sur la route, ils bravent la soif et la traversée difficile du Sahara pour aller de l'autre côté, c'est que ce qu'ils ont laissé derrière est épouvantable et ne leur permet pas de vivre. Voilà ce qui fait que on assiste euh, depuis en tout cas que ces mouvements-là ont commencé à des décomptes macabres de nos ressortissants qui veulent aller de l'autre côté. Ça été le cas la semaine dernière où 34 personnes ont trouvé la mort parce que dans ces zones-là aussi, souvent quand les moyens de transport tombent en panne, les personnes qu'on appelle souvent les passeurs qui les transportent les abandonnent et c'est une situation très triste dans laquelle on se retrouve souvent avec des pertes de vies humaines. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le Sahara nigérien est devenu un cimetière de migrants et cela est lié aussi aux difficultés en fait à passer par les voies légales. L'Europe euh, a fermé ses portes, les conditions d'obtention des Visa, même pour ceux qui ont les moyens, sont devenus de plus en plus difficiles. Et c'est ça qui explique les stratégies de contournement des routes par les migrants, qui sont devenues malheureusement de plus en plus dangereuses, mortifères. Cela est lié à la politique qu'amènent les pays euh, de l'Union européenne, qui est dénoncée également dans les pays du Nord. C'est une politique euh, de durcissement, de contrôle des frontières, de tri, parce que le projet de l'Union européenne aujourd'hui, c'est d'externaliser ses frontières. Et le Niger fait partie, malheureusement, des pays qui ont accepté de jouer, entre guillemets, ce sale boulot qui consiste pour l'Union européenne à installer dans la région d'Agadez des centres dont le projet, on pense que c'est de faire le tri entre les bons et les migrés migrants. Pourquoi Parce que l'Union européenne, comme ils ne peuvent pas aussi se défausser de toutes leurs responsabilités, les migrants qui peuvent bénéficier d'un asile devaient être mis de côté et les migrants économiques, donc les migrants indésirables, doivent être identifiés et renvoyés dans leur pays, dans leur région d'origine. Et malheureusement, les autorités nigériennes, si je me fie aux déclarations des officiels nigériens, ont accès accepté ce que d'autres pays ont refusé depuis plusieurs années, notamment les accords de réadmission. Vous parlez de la libre circulation des citoyens dans l'espace UEMOA euh, et CDAO Les intentions aujourd'hui de l'Union européenne qui fait pression sur nos pays et les déclarations récentes des autorités nigériennes, notamment à l'occasion de la visite des ministres des Affaires étrangères français et allemands, nous confortent dans les craintes que nous avons. Parce que la décision de fermer les frontières et ce que les autorités nigériennes disent en disant qu'ils acceptent les accords de l'admission, ça pose des défis, notamment pour la libre circulation. Vous savez, le Niger est membre de la CDAO qui a signé depuis 1979 le protocole de libre circulation des personnes et des biens. Or, les informations qui sont en possession des organisations de la société civile font état de plus en plus de refoulements à nos frontières. Et vous avez suivi la dernière fois quand il y a eu l'ouverture du centre d'orientation de l'OIM, le gouverneur militaire à l'époque de la région d'Agadez avait dit que certaines mesures qui sont prises pour soi-disant sauver les vies des migrants sont bonnes, mais ça pose un problème pour le Niger parce que le Niger est membre de la CDAO et les ressortissants des autres pays dont on pense qu'ils sont des candidats potentiels à l'immigration vers l'Europe ne peuvent pas être stoppés à Agadez ni d'ailleurs au-delà parce que ils sont toujours dans les frontières de la CDAO. Donc ça pose un problème au Niger et je pense que ça peut créer des problèmes entre le Niger et les pays voisins parce que si des Sénégalais, des Maliens, des Béninois, des Togolais arrivent au Niger et qui sont refoulés par les autorités nigériennes, ça peut poser des problème et il faut craindre pour les ressortissants nigériens qui se trouvent dans cette pays. Donc je pense que les autorités nigériennes ont intérêt à réviser leur politique sur ces questions-là parce que ça constitue aussi un frein à l'intégration régionale dont on parle. Ne parlons même pas de l'unité africaine. Donc nous sommes euh, dans cette situation, en tout cas où nous avons, nous, organisations de la société civile, des craintes en ce qui concerne le respect des droits humains des migrants qui sont garantis par des textes internationaux et pour ce qui est de l'espace CDAO, garantis par les textes communautaires, notamment le protocole de la CEDEAO. Est-ce qu'il il euh, y a une contrepartie pour euh, empêcher les migrants à se rendre en Europe Oui, ça vous l'avez bien entendu dans le discours des officiels nigériens. D'abord, le premier euh, à évoquer cette question a été le président de la République lui-même, qui est parti au sommet de la Vallée, ce sommet de la honte dénoncé en tout cas comme tel par les organisations de défense des droits de l'homme. À l'issue de ce sommet, il avait demandé 700 millions d'euros sur les 1,8 milliard d'euros du fonds fiduciaire à destination de l'Afrique pour faire le travail que demande l'Union européenne, notamment le paquet de mesures qui sont proposées par le sommet de la Valette. Et c'est en ce moment que nous avons entendu. Du reste, même s'il avait dit qu'il faut travailler souvent sur les causes profondes de départ, c'est en ce moment qu'il avait dit que le Niger était d'accord pour les accords de réadmission. Toute chose qu'un pays comme le Mali a eu à refuser. Et tout récemment, vous avez entendu le Niger ayant compris qu'avec le refus des autres pays, il se met dans une bonne posture, a demandé finalement un milliard d'euros pour faire ce travail de sous-traitance finalement de la gestion des frontières de l'Union européenne. Parce que quand vous acceptez aujourd'hui de freiner les migrants à partir d'ici, c'est que vous empêchez aux Européens de les faire là-bas chez eux, où il y a des opinions très fortes, où les règles de la démocratie normalement sont respectées. Ils ne peuvent pas violer les droits. Mais dans nos pays, où déjà il y a beaucoup de faiblesses en termes de gouvernance, en termes de respect des droits humains, le fait d'ouvrir la porte d'accepter ces politiques-là parce que la dissuasion, les refoulements, c'est des choses qui ne peuvent pas se faire en respectant euh, à la lettre les droits humains et en train de voyager. Supposons qu'on les prenne entre Niamey et Agadez et qu'on dit qu'on va le refouler. Quelle voie de recours il existe pour lui pour s'opposer à ce refoulement ou à cette expulsion si on veut les expulser du Niger? C'est vrai que les États ont le droit sur leurs frontières l'entrée de qui rentre et qui sort, mais cela doit se faire en respectant les textes internationaux que les pays ont signés. C'est de façon souveraine que les les officiels nigériens de l'époque ont signé le protocole de la CDAO qui lui donne des droits aux gens, notamment le droit d'aller et de venir dans l'espace communautaire. Tout à l'heure, vous avez parlé des voies de contournement. Nous savons que la voie Agadez-Arlita Asamaka n'est plus utilisée. C'est la voie euh, Tawa-Kintabraden qui est à la mode maintenant. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à ce niveau Ce qu'on craint pour les migrants, c'est que dans leur quête d'un mieux-être, ils perdent la vie et c'est malheureusement ça qui arrive. Et on avait dit que le fait que souvent sur les routes officielles, il y a ce que tout le monde connaît qui a été rangé dans l'enveloppe des pratiques anormales qui font qu'il y a des raquettes. Toute chose que la CDAO reconnaît mais que les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas parvenus à mettre fin à ces pratiques, les tracasseries, les raquettes qui sont opérées souvent par les agents en uniforme qui sont payés par l'État. Fait que les gens qui veulent partir souvent contournent parce que que vous ayez ou non vos pièces d'identité, souvent on vous demande de payer pour passer certains postes de contrôle. Ça fait que les gens qui n'ont pas assez de ressources préfèrent contourner les voies légales de Et c'est ça qui fait que souvent, malheureusement, il y a une jonction entre les itinéraires empruntés par les migrants et les itinéraires qui sont empruntés par les trafiquants de toutes sortes, souvent qui circulent dans cette zone-là, qui est quand même, depuis quelques années, un arc de crise. C'est ça aussi qui a fait qu'il s'est développé depuis quelques années un amalgame entre les questions de terrorisme et de migration. Parce que l'Union européenne souvent range tout ça là dans le même paquet, la lutte contre les trafics. Quand ils prennent des mesures, souvent, on met dans la même chose et on se dit qu'il faut continuer à surveiller les frontières. Nous savons aussi que ce phénomène de migration profite aussi aux passeurs. Oui, sans doute, j'ai entendu cela dans les discours notamment des gens de l'Union européenne. Ce qu'on peut constater en lisant notamment les médias, malheureusement, c'est ces informations qui font état des personnes qui ont été abandonnées, pas seulement dans le désert du Niger, mais aussi sur les côtes européennes. Les gens souvent qui embarquent à partir des côtes libyennes, des côtes tunisiennes, des côtes marocaines, pour dire qu'ils vont acheminer dans des embarcations de fortune de personnes de l'autre côté de la Méditerranée. C'est là qu'il s'est développé en fait le phénomène des passeurs. Et ces gens-là, souvent, l'embarcation étant vraiment euh, dans un mauvais état, souvent ils tombent en panne et ils finissent ou par se noyer ou par abandonner les gens, faute souvent de carburant pour faire fonctionner le bateau qu'ils utilisent pour transporter les gens. C'est ça qui fait que l'Union européenne a pris des mesures dont une des choses, c'est par exemple à travers la dissuasion de décourager les moyens par lesquels les migrants sont transportés c'est ça qui explique en fait, même pour ceux qui est du Niger, l'adoption de la loi sur le trafic illicite des migrants qui vise à décourager les passeurs. Mais c'est souvent l'idée qui a découragé les passeurs pour sauver les migrants. Mais souvent, c'est l'idée qui est cachée derrière cette intention qu'il faut voir en ce qui concerne l'Union européenne. Ils pensent que en agissant sur les gens qui transportent les gens, ils vont tarir les sources des migrants. C'est la même chose souvent quand on dit qu'on fait le lien entre migration et développement. Les pays de l'Union européenne souvent proposent des projets aux pays émetteurs de migrants pour dire qu'ils vont investir dans les zones de départ. C'est disant que s'il il y a de l'emploi, s'il y a des entreprises qui permettent aux jeunes, désévrer les migrants économiques, entre guillemets, de trouver du travail dans leur zones de départ, ça veut dire qu'ils ne vont plus partir. Tcherno Amadou, nous savons aussi que des ghettos ont été fermés à Agadez, mais n'empêche, cela n'a pas contribué significativement à stopper le phénomène migratoire. Oui, c'est pour cela que les critiques que les organisations de la société civile font au gouvernement au pays de l'Union européenne, c'est que la politique de gestion des flux migratoires mise en œuvre jusqu'ici, elle a échoué. À quoi on assiste Des fonds importants, très importants, ont été mis dans la surveillance des frontières, dans le renforcement des moyens des forces de sécurité. Ça n'a pas empêché le départ. Parce que si vous constatez depuis l'année dernière, et c'est pour ça on parle de crise migratoire, les vagues de migrants en direction des pays du Nord, des pays du Maghreb ont augmenté. Même si il faut noter que pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas vrai. La proportion des personnes qui circulent à l'intérieur des frontières de la CDAO est est plus importante que ceux qui sortent de cet espace-là pour aller vers le Maghreb, pour aller ailleurs. Mais comme on ne parle pas de ça, parlons de la question de l'enveloppe qui est mise par l'Union européenne pour surveiller les côtes européennes. C'est plus important que l'aide publique au développement et c'est pour ça que ça pose des questions éthiques et morales vous le savez bien, l'année dernière, on est arrivé à la fin des échéances des OMD. Il n'y a pas eu l'argent nécessaire de la part de la communauté internationale, notamment des pays riches, pour financer les OMD. Mais l'Union européenne préfère mettre l'argent pour empêcher aux gens de venir chez eux. On suppose que toutes les personnes qui transitent par le Niger, leur intention c'est d'aller en Europe. Ce qui n'est pas vrai, ce sont des discours politiques qui sont tenus par les milieux de l'extrême droite, par la droite populiste. Et cet argument-là souvent est servi dans le cadre des élections dans les différents pays de l'Union européenne. Dans les zones nigériennes où il y a des départs massifs comme le département de Kangé, il faut aller là-bas voir dans quelles conditions se trouvent les populations. Est-ce que les services publics, euh, les droits économiques et sociaux des gens sont respectés Voilà des choses normalement qu'il faut regarder. Et puis, normalement, dans les négociations avec l'Union européenne, ce que nos pays devaient faire, au lieu de tendre la main pour demander un milliard d'euros de subsides, je pense que les gens auraient eu l'intelligence peut-être de demander de rééquilibrer les accords. Si j'étais le président du Niger, j'allais demander à ce que l'uranium nigérien, notre pétrole, soit acheté à des prix que moi j'aurais fixé. Je pense que c'est plus important que de demander un milliard d'euros pour euh, mettre des moyens à la disposition des forces et de sécurité, empêcher les gens d'exercer leur droit à la libre circulation, leur droit à la mobilité. C'est le peuple qui a donné la bonne réponse à l'Union européenne de dire que les gens ont peu disjoncter. C'est de dire que la terre, Dieu l'a créée pour tout le monde. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des petits malins, une poignée de gens qui déplacent comme des pions les règles du jeu du commerce mondial et qui décident de demain qui va vivre, qui ne va pas vivre. C'est un peu cela. Tcherno Amadou, on vous remercie. Merci beaucoup. Voilà l'entretien entre l'expert des, des, experts de la question migratoire alternative espace citoyen, Tcherno Amadou, interrogé par notre reporter Mokhtar Hamadou. <clears throat> Business Challenge, vous connaissez, c'est une euh, émission de télévision à caractère économique qui parle de l'économie nationale. Une production indépendante produite par Impact Com Media. Plusieurs rubriques sur les métiers, l'accès sur le marché, l'emploi et bien d'autres y sont traités. Notre reporter, Ayla Tsoumana s'est entretenu avec le directeur général de Impact Com média et producteur de Business Challenge, Seyd Souleh Mamadou. Je vous propose de suivre leur entretien. Euh, monsieur Seydou, Business Challenge, euh, c'est une émission télévisée. Il y en a qui connaissent deux nom, mais euh, c'est quel genre d'émission en réalité Business Challenge est une euh, émission économique. Et aujourd'hui, je pense que Business Challenge, dans le paysage audiovisuel du Niger, c'est la seule émission économique qu'on a. Mais la particularité de Business Challenge, c'est qu'au-delà d'être une émission économique qui est produite par une maison de production, indépendante et qui est diffusée aujourd'hui par Télé Sahel dans le cadre d'un partenariat producteur-diffuseur. Nous nous produisons, nous rentabilisons et dans le cadre du partenariat que nous avons avec Télé Sahel, nous donnons le produit à Télé Sahel qui le diffuse et nous faisons ce qu'on appelle en anglais du profit sharing, c'est-à-dire que Télé Sahel se rémunère sur une partie des revenus que nous avons euh, générés à travers l'émission. D'accord, mais euh, cette émission-là, c'est sous quel format L'émission Business Challenge, c'est sous format magazine, conçu avec euh, différentes rubriques qui nous permettent euh, de, de, toucher un large public et puis de faire en sorte que, en fonction des intérêts et de la diversité du public, chacun peut trouver son intérêt. Par exemple, l'émission Business Challenge, aujourd'hui, nous avons une rubrique régulière qui parle des métiers et des carrières, axée sur le marché de l'emploi. Donc nous parlons souvent de comment réussir un entretien d'embauche, comment faire un bon CV et nous pensons que ça, ça peut aider les jeunes qui sont en situation de recherche d'emploi. Quelquefois, nous présentons des métiers. Et en fait, on identifie des métiers qui sont assez peu connus, mais qui sont très utiles. Et nous invitons un professionnel de ces métiers-là à venir nous expliquer comment on accède à son métier, quelles sont les études à faire, et une fois qu'on a euh, le diplôme, quel type de carrière on peut avoir. Et pour nous, nous pensons que faire ce travail, ça va aider les jeunes à mieux s'orienter. Nous avons aussi une autre rubrique régulière de Business Challenge qui s'appelle Innovation et technologie, où nous parlons régulièrement des innovations en matière de technologie, en matière d'entrepreneuriat, en matière de développement industriel. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à des jeunes entrepreneurs de montrer ce qu'ils font comme innovation et aussi de faire en sorte que le public puisse découvrir aussi des idées innovantes ou bien des solutions innovantes. Nous avons aussi un grand format, parce que l'émission, ça dure 60 minutes. En général, aujourd'hui, nous faisons un plateau d'environ 30 minutes. Et dans ce plateau, en général, nous recevons des chefs d'entreprise qui ont une bonne expérience en matière d'entrepreneuriat. Ça peut être en matière de finance, en matière de marketing, en matière de gestion, en matière de leadership. Nous invitons quelquefois des décideurs publics, ça peut être un ministre, ça peut être un haut fonctionnaire de l'administration publique. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ces gens-là partagent leur expérience pour que ça inspire et aussi pour que ça informe. Parce que Comment choisissez-vous vos, thèmes, vos sujets En général, nous choisissons nos thèmes en nous posant la question sur l'intérêt que ces thèmes-là représentent pour le public ou bien sur leur utilité quelquefois, on se quoi à l'actualité aussi, parce que quand il y a un grand événement euh, économique, c'est l'actualité du moment, on les traite, mais même quand on les traite, souvent on les traite avec du recul pour faire au-delà de l'information chaude des analyses. Parce que Business Challenge, c'est aussi ça sa vocation. En tant que production indépendante, nous choisissons nos thèmes librement en tenant compte de l'utilité, de l'intérêt que la thématique peut avoir en termes d'information, en termes aussi d'apprentissage. Parce que certains s'informent, pour connaître des choses qui se passent dans l'environnement économique, mais il y a aussi d'autres, au-delà de l'information, qui apprennent. C'est euh, en général tous ces jeunes qui sortent des écoles, tous ces jeunes entrepreneurs qui ont besoin de savoir ce qui se passe dans l'environnement économique. Donc voilà vraiment euh, comment nous choisissons et traitons nos thèmes. Et en parlant de votre euh, maison de production, qui est-ce que vous employez là-bas des, des, journalistes ou euh, c'est des professionnels Notre équipe, c'est essentiellement des gens de, de l'audiovisuel. Hein. C'est des journalistes. Il y a quelques journalistes reporters. Il y a des techniciens audiovisuels, des monteurs, caméramans. Et puis on a une administration. Et moi-même, je suis aussi journaliste. Parce que eh, je commençais ma carrière, même si ma formation initiale était une formation dans le domaine de l'économie et de la gestion. J'ai commencé quand même ma carrière dans les médias économiques, bon, pas au Niger, à, l'extérieur. Et donc, j'ai aussi une expérience journalistique que je trouve assez intéressante, qui m'aide aussi à gérer cette équipe et à faire ce travail du magazine. À Impact comme média, quel est le modèle de journalisme que vous défendez En tant que jeune entreprise, eh, nous approchons le journalisme avec euh, une approche euh, axée sur les standards internationaux, du vrai journalisme, du journalisme engagé, militant, et du journalisme utile. Pourquoi je dis ça Parce qu'au Niger, euh, malheureusement, on a développé euh, un certain nombre de comportements et de pratiques qui dénaturent un peu le métier de journaliste. C'est par exemple cette fameuse question de perdième ou de gratification. Nous, au niveau de Impact comme Média Business Challenge, c'est strictement interdit à nos journalistes d'aller sur le terrain et de demander des gratifications. En tout cas, c'est écrit dans la charte de l'entreprise et quand ça va se faire ou quand on le sait, on arrête de travailler avec la personne parce que nous pensons que ce n'est pas une pratique professionnelle. L'éthique, c'est important aussi dans le travail d'un journaliste, ou bien dans le travail même de la production de l'information. Et donc, ça, ce sont des valeurs sur lesquelles nous ne transigeons pas. Hein. Vraiment, c'est des valeurs non négociables dans notre entreprise, puisque nos collaborateurs viennent des médias dans lesquels, euh, quelquefois, il y a cette notion de gratification qui était en cours. On était obligé de discuter entre nous, de leur expliquer le bien fondé d'éviter ces gratifications, d'avoir un comportement responsable en tant que journaliste. Parce que si le journaliste lui-même qui dénonce la corruption accepte de se faire corrompre, vous voyez, il y a un problème. Si le journaliste qui, qui dit des principes de bonne gouvernance lui-même ne participe pas à la bonne gouvernance par son comportement et son attitude, il y a un problème. Et donc c'est pour ça que nous, on a pris l'engagement résolu de dire vraiment on va travailler pour éviter ça. Alors, dites-nous comment est-ce que vous financez vos émissions de Business Challenge Naturellement, euh, en tant que production indépendante, il nous faut gagner de l'argent pour vivre. Même les médias, les médias sont obligés de gagner de l'argent. Les médias ont cette force d'être des entreprises d'utilité publique. Et aussi longtemps que les médias comprennent ça, ils peuvent gagner de l'argent sans complexe tout en faisant convenablement leur travail. Dans tous les médias du monde, et c'est ce que nous faisons aussi à Impact comme Media Business Challenge, il y a la production, il y a euh, le métier de l'information, mais il y a le métier commercial. Alors nous, aujourd'hui, le métier commercial, nous avons des partenaires qui croient en l'émission Business Challenge, qui pensent que les thématiques que nous traitons sont des thématiques importantes, des thématiques à valeur ajoutée, qui ont une utilité sociale et économique. Et ces partenaires-là, ils sponsorisent ce que nous faisons. Et c'est très clair. On fait des conventions avec eux, ils sponsorisent. Soit ils sponsorisent parce qu'on leur dit voilà les thématiques que nous allons produire. Et c'est comme l'Agence nationale de l'emploi, par exemple. Notre rubrique sur le marché de l'emploi est sponsorisée par l'Agence nationale de l'emploi. Mais c'est parce que la thématique que nous traitons les intéresse. Le fait que nous parlions du marché de l'emploi, qu'on informe les gens, qu'on les sensibilise sur ce qui se passe sur le marché de l'emploi et sur comment réussir une carrière, ça intéresse l'Agence nationale de l'emploi. Donc, ils financent ce que nous faisons. Donc, c'est de l'argent gagné honnêtement. Il n'y a aucun complexe à ça, n'est-ce pas Business Challenge a aussi un partenaire officiel, c'est Orange depuis quelques mois, qui est notre sponsor officiel. Mais ce sponsoring aussi, c'est avec des clauses très claires. Orange sponsorise le concept Business Challenge. Mais est-ce qu'on peut espérer retrouver Business Challenge sur d'autres chaînes nationale Alors aujourd'hui, sur euh, la diffusion télé, naturellement, le contrat que nous avons avec Télé Sahel ne le permet pas. Nous avons un contrat d'exclusivité avec Télé Sahel quand euh, nous avons des éditions spéciales où, par exemple, il y a des partenaires qui sont sponsorisés et qui nous disent, écoutez, on a besoin, au-delà de votre diffuseur, que cette émission soit diffusée sur d'autres canaux. Là, on en parle avec les gens de Télé Sahel et euh, on les informe et on trouve un terrain d'entente pour que cette édition spéciale soit diffusée au-delà du canal Télé Sahel. C'est déjà arrivé, ils l'ont accepté, ils l'ont compris. Maintenant, dans notre contrat de producteur-diffuseur, il y a des canaux en fait, euh, sur lesquels nous sommes libres aussi de développer l'émission. Par exemple, si demain nous voulons diffuser l'émission en radio, normalement, on est libre de le faire parce que la convention qu'on a euh, avec Télésal est une convention exclusive sur le canal TV. Si demain nous voulons diffuser sur le web, on est libre de le faire aussi, ouais. Et euh, donc voilà un peu aujourd'hui la nature de notre périmètre. Et qu'en est-il du contenu Si eux ne sont pas d'accord du contenu, comment ça va se passer non, euh, en général, dans les conventions producteurs-diffuseurs, vous définissez vos chartes en matière de production et de diffusion. Par conséquent, nous ne sommes pas dans une optique où, par exemple, on va faire de la polémique. Parce que le problème, ça peut se poser là lorsque vous êtes dans l'information sensationnelle, vous, vous critiquez X ou Y ou Z. Bon, quand bien même qu'en journalisme, le droit de la critique existe, hein, c'est important que les journalistes critiquent. Et même nous, dans Business Challenge, on critique. Mais je vais dire, on n'est pas vraiment dans des grosses polémiques et controverses. Nous ne faisons pas non plus la complaisance, c'est-à-dire dire, on va chanter les louanges de X ou Y. Non, on n'est pas dedans. Mais si jamais le problème arrivait, si jamais il arrive, par exemple, que notre diffuseur nous dise, écoutez, le contenu de votre émission, de votre émission ne nous convient pas. Alors là, ce qui va se passer, déjà quand vous dites que le contenu ne vous convient pas, vous donnez les arguments pourquoi ça ne convient pas, n'est-ce pas Nous sommes dans un monde où il y a quand même quelques il y a des professionnels. Hein. Euh, aujourd'hui, il y a des organes de régulation, il y a la maison de la presse, il y a le CSC, il y a le ministère de la communication. Moi, ce qui m'intéresse, si on face à ce cas-là, on, on, leur soumet ça, voir est-ce que et ce travail-là, sur le plan journalistique ou sur le plan informatif, comment ils le jugent si par exemple ils nous disent, écoutez, dans ce travail, vraiment vous avez fait entorse à la déontologie, ce n'est pas bon, le diffuseur a raison. Et dans ce cas, je pense que seuls les imbéciles persistent à, sur un chemin sur lequel ils pensent qu'ils n'ont pas raison, n'est-ce pas Où tout le monde euh, s'est établi qu'ils n'ont pas raison. Mais si on nous dit, écoutez, cette émission n'a aucun problème, mais c'est seulement le diffuseur qui ne veut pas le diffuser pour, pour d'autres raisons. Mais nous, on ne va jamais changer de contenu. Et dans ce cas, on va assumer notre production, quitte à aller négocier avec d'autres chaînes pour euh, diffuser. Parce que notre vocation, c'est effectivement de produire de l'information utile. Et l'information utile, ce n'est pas parce que ça ne plaît pas à X ou Y qu'on ne va pas le diffuser. Et donc, euh, Business Challenge euh, date de combien de temps Alors, nous venons de fêter le deuxième anniversaire de Business Challenge, 50 numéros produits et diffusés en raison de deux numéros par mois. Et donc, nous totalisons plus de 100 heures de programme et euh, quand même exclusivement consacré à l'économie nationale. Et je me souviens quand on commençait Business Challenge en 2014, y compris dans l'environnement médiatique, il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas qu'on peut faire de la production indépendante et la faire vivre euh, pendant tout ce temps-là, sachant que les médias eux-mêmes n'achètent pas votre programme, c'est à vous de produire, de vous faire diffuser et de payer les médias pour ça. Vous voyez, c'est un peu le monde à l'envers, mais euh, on a quand même euh, pu euh, jusque-là tenir la route. Et puis, progressivement, puisque les partenaires, les sponsors ont compris, beaucoup de sponsors commencent à appuyer les efforts de Business Challenge. Voilà, vous venez de suivre le directeur général de Impact comme média et producteur de Business Challenge, c'est du Soleil, Mamadou. Euh, l'invité, euh, il, parlait par rapport à l'émission Business Challenge, qui est une émission de télévision à caractère économique qui parle de l'économie du Niger, bien sûr les programmes de Studio Kalangou à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Fara 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Hippocane 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilabé sur la radio Tebouassi 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Kalango Voilà, Studio Kalango à 18h52 minutes. C'est la fin de ce forum euh, de ce mardi. 21 juin 2016, nous vous avons parlé de la crise du phénomène migratoire. Voilà plus d'un an que le Niger est devenu un pays de transit pour des milliers de migrants subsahariens en direction du Maghreb ou de l'Europe l'expert des questions migratoires alternatives espace citoyen. Tcherno Amadou euh, en a, euh, largement revenu sur cette question et pour lui, l'Union européenne et les pays africains concernés doivent s'attaquer au mal euh, par la, la racine en, résolvant par exemple le problème du chômage. Il était au micro de Mokhtar Amadou. Nous avons aussi parlé de, du règne, de l'accalmie qui règne le long de la frontière nigéro-malienne vers le nord. Euh, nous, question sur, le, laquelle nous allons revenir demain plus longuement. Et enfin, du Business Challenge, une émission de télévision à caractère économique qui parle de l'économie, une production indépendante produite par Impact Com Media. Euh, le directeur général est Seydou Soleil Mahamadou. Voilà, c'est la fin de ce forum. Nous nous retrouvons demain à la même heure et au même, euh, à la même heure et aux mêmes fréquences. Bonsoir. Radio Tous les jours. Des journaux d'information. Des magazines. Toute l'actualité du Niger. À 17h30, du lundi au vendredi. Votre programme en Aoussa. À 17h45, du lundi au vendredi. Votre programme en german. À 18h, 7 jours sur 7. Votre programme en français.